foire pour euh, parce que ku foire c'est un euh, milieu de rencontre là, et que aujourd'hui suñu ay produits et services lu comme Poste Cash ak Jotna si dafay baax ñu ñëw watch terrain bi gis askan bi les commerçants euh, les visiteurs proposer leen suñu ay produits te xam ne njëriñ kese moo ci faire. c'est les caisses d'épargne et les chèques postaux qu'on a sortis de la poste pour créer Poste Finance cest les finances mais nous faisons tout nous faisons tout sauf le courrier postal. Euh, mais à part ça, on fait tous les transferts, on ouvre des comptes, euh, c'est-à-dire les caisses d'épargne et, les et les CCP. Le travail se passe super bien, tout est accessible. Laissez-moi vous dire que EMS est une filiale de la Poste. Donc EMS c'est Express Mail Service. Tout ce qui est envoi de courrier national et international en est notre domaine. Donc ici, tout le monde est accessible. Les étrangers qui sont là, avec les bagages qui sont faits venir, donc c'est notre travail. Donc le fret, comme le fret aérien et maritime, on le fait. Donc ils ont ce besoin. Donc avec les commissions qui sont là, on vient, on, leur parle, on leur présente euh, les activités que nous avons. Et là, ça leur intéresse. Donc là, il suffit donc de faire une piste de contact et d'assurer le suivi. On est venu avec des commerciaux, ils ont terrain pour vraiment expliquer les produits de la poste. Comme, comme poste cash c'est une carte bancaire c'est une carte Visa avec adossé à des services des dafay baax tay les commerciaux tay wàcc ci sur le terrain dugg ci stand yi ci pavillon yi dem fekk les commerçants les clients def waxtaan ak ñoom expliquer produit parce que dafa nekk produit boo xam produit bu euh, dernière génération là. di wax comptes ñi compte d'épargne di monnaies épargnées pour nous, pour seeni doom pour pour euh, euh, euh, c'est l'union au daal l'union au goul, bañ leen de bett waaw avenir u et tout ça donc pour les chèques postaux aussi pour les fonctionnaires on peut leur dire d'ouvrir des comptes chèques pour les chèques postaux de virer leur salaire là-bas comme ça en même temps ils auront droit d'adhérer à la MECAP amna ci bu nga depuis l'occasion à la foire de vulgariser ce service-là hein, et de faire la promotion de Jotlancy. Jotlancy, service bu bees et service service de transport de bagages et de marchandises Madame maanaam n'est que ci Sénégal Tay. nga am fa sa bagage wala nga am fa sa marchandise da ngay woote poste rek poste moom mooy jug dem jëlee la sa marchandise wala sa bagage indil la ko ba sa kër